avec Info Dakar. Avec Info Dakar. Fils Sénégal, maintenant, foo à tout ci j'ai jot information yu la. Camarade Assita Ouedraogo, je suis la coordinatrice chargée des femmes au niveau de ITF Afrique. Donc, euh, nous sommes très contentes d'être ici au Sénégal avec ma sœur Réa de Londres. Euh, pour euh, animer euh, l'atelier de renforcement des capacités des femmes ITF du, du SOUTAS. Nous avons aussi associé les autres syndicats de l'aviation civile au niveau du Sénégal parce que le thème est d'actualité, il est assez important. On n'a pas voulu focaliser ça uniquement au niveau du SOUTAS, mais au niveau des autres syndicats de l'aviation civile pour partager ces expériences donc euh, euh, le, thème de notre atelier, c'est de déradiquer la violence et le harcèlement dans le secteur des, transports, particulièrement de l'aviation civile au Sénégal. Parce que nous voulons que les syndicats accordent la priorité aux questions de violence et de harcèlement euh, sur, le travail, sur, sur les lieux de travail. comme le disait quelqu'un, Connaître la Convention 190 de l'OIT est une garantie pour être en toute sécurité sur le lieu de travail. Et c'est pourquoi nous voulons partager les, expériences. Nous voulons aussi mieux connaître des autres sœurs qui sont présentes aujourd'hui dans, dans, la salle sur un certain nombre de problématiques qu'on avait discutées à Nairobi en 2022 et en 2023 euh, à la conférence régionale des femmes à Dakar. Et parmi ces problèmes, on a parlé des problèmes de maternité. Il est très difficile pour les femmes quand elles reviennent des congés de maternité pour pouvoir travailler alors qu'elles ont des enfants de bas âge à, à prendre en charge. Nous avons aussi des problèmes d'uniformes qui ne sont pas adaptés pour nos sœurs. Et nous avons aussi des questions de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui est une réalité pour les femmes et la, la C-190, c'est la violence la plus dévastatrice, mais elle est la moins dénoncée à cause de l'impunité et du silence qui est autour de cette violence. Et nous voulons changer cette donne. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour mieux connaître. Est-ce que les problèmes qui ont été discutés en 2022 et en 2023 ont évolué Est-ce qu'il y a eu des changements Si oui, où est-ce qu'on peut trouver ces changements Sinon, à partir d'aujourd'hui, comment on peut élaborer un nouveau plan d'action euh, pour pouvoir travailler rapidement euh, sur ces problématiques euh, relatives à la violence et le harcèlement sur le lieu de travail. Au niveau du gouvernement, nous avons fait un certain nombre de travail sur le terrain. Nous étions là au mois d'août pour célébrer l'anniversaire de la, le cinquième anniversaire de l'adoption de la Convention 190. Nous avons invité pas mal de responsables euh, pour participer à cet atelier. Et nous sommes encore là pour lancer un appel pour que euh, cette convention soit bientôt ratifiée, que le Sénégal, il y a à peu près euh, il y a 45 euh, pays qui ont ratifié la Convention 190 de l'OIT, dont 10 pays africains. Et nous voulons que le 11e pays soit le Sénégal, que le Sénégal soit cité en exemple parmi les pays africains euh, qui ont pris à bras le corps ce problème de la Convention 190 de l'OIT et qui a été ratifiée au niveau du Sénégal pour que plus jamais les droits des femmes ne soient plus bafoués sur les lieux de travail. Et nous avons dit, même si la Convention n'est pas signée dans tous les pays, parce qu'il serait utopique de dire que tous les pays vont ratifier la Convention. Mais nous avons dit qu'il faille transposer les clauses de cette Convention dans les négociations collectives sur le lieu de travail. Si nous avons déjà ça, ce serait un bon départ pour arriver à la ratification de cette Convention. Donc, euh, je vous remercie pour cette question, mais elle n'est pas complète parce que vous parlez d'éradiquer la violence dans le milieu aéroportuaire. Heureusement que la violence n'est pas quasi permanente au niveau du secteur de l'aéroport. C'est un combat qui a été toujours porté par les organisations syndicales au niveau de la plateforme. Aujourd'hui, il est question, nous sommes en train d'œuvrer dans le cadre du lobbying, dans le cadre de la formation aussi des femmes euh, du comité des femmes du SUTAS, dont je suis le secrétaire général, avec l'aide de l'ITF, pour que le Sénégal ratifie la convention 1690. C'est une convention où les centrales syndicales mères se battent, où des hommes politiques se battent, où des leaders d'opinion se battent depuis des années pour que le Sénégal ratifie enfin cette convention C190. Nous sommes dans un pays qui est cité un peu partout dans le monde, qui est un pays de liberté, un pays de respect, un pays des droits de l'homme. On ne peut pas aujourd'hui être les derniers ou bien être à la traîne pour la ratification de cette convention C490. Avec l'aide de notre organisation mère qui est l'ITF, nous sommes aujourd'hui en train d'outiller les membres de notre organisation, surtout la section féminine, pour que le combat puisse être porté au niveau national, pas seulement au niveau de l'aéroport. Parce qu'au niveau de l'aéroport, quand même, euh, je pense qu'en termes de harcèlement, en termes de violence faite aux femmes, il y a eu toujours des syndicalistes, des délégués du personnel assez outillés pour porter le combat. Mais ce que nous voulons, c'est que les femmes, dans leur globalité au niveau de ce pays, puissent bénéficier quand même des orientations de la Convention C190. Pourquoi s'attendre Syndicalistes, nous ne pouvons que porter un combat. Essayer d'attirer euh, euh, l'attention quand même de l'autorité pour le dire que c'est hyper important de ratifier telle ou telle convention. Mais la volonté politique, c'est ceux qui ont été élus qui doivent quand même faire un clin d'œil euh, à, la population autochtone, je dirais nous-mêmes, dire écoute, vous nous avez élus pour telle ou telle mission, donc il est temps aujourd'hui que nous ratifions quand même cette convention c 490 qui peut être aujourd'hui euh, la Bible ou même le Coran pour les femmes du secteur euh, du travail en général et en particulier au niveau de la plateforme aéroportière où les femmes travaillent de nuit, sont confrontées à des problèmes de distance, à des problèmes de sécurité, à des problèmes d'égalité salariale et de justice. Donc je pense que cet atelier que nous faisons déjà rentre en droite ligne quand même dans les plans d'action pour déjà sensibiliser hommes et femmes au niveau de la plateforme, au niveau du secteur où nous évoluons, à savoir les transports aériens, que tout le monde soit conscient que cette convention doit être ratifiée afin d'outiller les travailleurs du secteur dans leur globalité. Et l'autre particularité, nous sommes dans un secteur où les femmes représentent plus de 50%. Si vous venez au niveau du transport aérien, si on prend en charge les agents passage au niveau de l'enregistrement, il y a plus de 60% qui sont des femmes. Si vous allez au niveau de l'aviation civile, au niveau même des avions, les hôtesses sont beaucoup plus importantes numériquement que les hommes. Donc c'est un secteur qui a une forte présence féminine, donc c'est hyper important que les actions soient faites. Et aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, euh, le scoop, les objectifs finaux, c'est que vraiment les femmes soient outillées. Et je pense que dans le cadre des plans d'action, nous avons, nous, aujourd'hui, au niveau de notre organisation, un site web, ce site web qui est en cours de maintenance devra faire des highlights sur un rappel constant des consologues sur la Convention 690. Il va falloir aussi, on va en discuter en comité restreint dans le cadre des déclarations signées par le syndicat, qu'il y ait toujours en bas de page ou en début de page un rappel sur la Convention 690. On a aussi les élections législatives qui se profilent. Je pense que nous tous, nous avons quelque part des connotations ou des connexions avec les politiques. Demander à ce que cette convention C190 soit portée par le plus grand nombre et au profit des travailleuses euh, de notre secteur et du Sénégal en général. Euh, merci beaucoup. Euh, pour la C190, nous avons fait beaucoup de choses avec le réseau nationale des femmes syndicalistes, que RENAFES, qui regroupe les présidentes des femmes, euh, des comités de femmes de cinq centrales syndicales affiliées à la CICI, CNTS, UNSAS, CSA, CNTS, FCU, DTS. Ce sont les plus grandes centrales syndicales au Sénégal. Nous sommes regroupés en réseau pour euh, lutter contre les violences euh, basées sur le genre. Depuis l'adoption de la C190 euh, à l'OIT à Genève en 2019, nous avons entrepris beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup d'étapes pour la ratification de la C190. D'abord, on a fait des sensibilisations euh, sur la C190. Ensuite, nous avons fait des formations sur la C190. Nous avons fait des tournées au niveau des régions euh, du Sénégal, euh, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Et nous avons fait un grand forum euh, c'était à Sorano, avec tous les dignitaires, les religieux, les handicapés, tout le monde était là-bas. Il y avait aussi le ministère du Travail qui nous accompagne et le BIT, le Bureau international du Travail aussi qui nous accompagne. Nous n'avons pas fait ça en tant que syndicaliste, mais avec le Bureau international du travail, le BIT du Sénégal, basé au Sénégal Fatim euh, qui nous accompagne. Il y a aussi le ministère du Travail aussi qui nous accompagne. Euh, aussi, nous avons fait des plaidoyers au niveau du ministère euh, de la Femme, de la Famille, ensuite au ministère du Travail, et ensuite au niveau de l'Assemblée, qui est dissous. malheureusement. Et ensuite, chez les religieux, les handicapés, les universitaires, on a fait beaucoup de plaidoyer et de lobbying pour cette ratification. C'était un partenariat avec le BIT et le ministère du Travail. Euh, ensuite, euh, là, actuellement, euh, on est, en train de voir comment on va faire parce que l'Assemblée nationale qui vote les lois est déjà dissoute. Et on attend, la prochaine étape, c'est d'attendre l'Assemblée nationale qui sera mise en place et nous allons vers eux, cette nouvelle Assemblée nationale, nous allons vers eux pour leur sensibiliser et, euh, sur la problématique euh, de la C-190. Parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de euh, violences basées sur le genre, il y a beaucoup de violences sur les femmes. chaque jour que Dieu fait, vous rencontrez une femme qui est violentée au niveau des scènes. Il y a les violences physiques, il y a les violences psychologiques dans les entreprises, il y a les violences euh, verbales dans les entreprises, il y a beaucoup de violences au niveau du Sénégal et nous devons tout faire. Et le président, je lance un appel au gouvernement, au président de la République et au premier ministre qu'on ratifie notre convention 690. C'est notre vraiment souhait euh, d'ici euh, décembre ou bien d'ici le 1er mai qui va venir, qu'on ratifie cette convention au niveau du Sénégal. Euh, cette convention permettra aux femmes vraiment de se soulager des violences faites aux femmes au niveau du Sénégal. Chaque jour, il y a des crimes, il y a des, des, femmes violentées, des femmes violées, euh, harcelées. Euh, donc, vraiment, nous souhaitons la ratification de la c 54 Avec Avec Info Dakar. fii si Sénégal ak fu mënti ne ci àdduna